le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h16 au studio Kalangou. C'est l'heure du forum au micro Hamadou Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Berningaure, Chirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Pour ce mercredi 17 août, nous irons à Tilaberi où les principales voies connaissent une certaine dégradation du fait des fortes précipitations enregistrées ces derniers temps. Actuellement, les axes Balayaranyame et Tilaberi-Walam sont impraticables. Le directeur régional de l'équipement de Tilaberi, Mohamed Abouakar Danyaya, nous fera le point dans quelques instants. Et puis, depuis samedi dernier, le parti MNSD Nassara est compté parmi les partis membres de la majorité au pouvoir. Ainsi en a décidé le bureau politique. Quelles sont les principales raisons qui ont motivé cette décision Vous aurez la réponse de Adamou Hidé, Il est secrétaire argent à la communication du bureau politique national. Enfin, le président du Conseil supérieur de la communication est en tournée à l'intérieur du pays depuis hier Abdourahman Ousmane participe à la campagne de vulgarisation de la charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Qu'est-ce que c'est que cette euh, charte, charte et quelles sont ses implications dans la recherche de l'information Le vice-président du CSC, Ali Hussein, nous donnera plus d'explications. Studios studio Kalangou dans la région de Tilaberi, <clears throat> les fortes précipitations pardon, de ces derniers temps riment avec dégradation des routes bitumées ou en terre. <clears throat> Elles sont un nombre, ces routes, qui ont subi des ruptures en plusieurs endroits. Nous pouvons citer les axes Balayara-Niamey et Tilaberi-Walam. Alors, quelle est la situation à l'heure actuelle Pour mieux en savoir, Gungu Mamandantani Dantani a joint ce matin au téléphone le directeur régional de l'équipement de Tilabiri, Mohamed Aboubakar nous fait le point. La situation est intervenue le samedi le samedi passé. Après 12 heures, depuis ce jour, on a mis un système de surveillance pour euh, vérifier la baisse du niveau de l'eau, vu que le débit est très fort à cet endroit. Donc euh, aujourd'hui, quand même, euh, comme le niveau est, trop bas, l'économie est faible, l'entreprise est habilitée à faire la reprise de cette coupure. Présentement, elle est sur place avec tout le matériel nécessaire. D'ici 24 heures ou bien 48 heures, la circulation sera rétablie sur ce tranchant. Monsieur le directeur, au niveau de la région de Tlaberi, c'est le seul axe qui a connu cette situation Il y a aussi la route euh, Niamey-Baléara qui a eu le même problème, mais ça s'est intervenu le dimanche. Et le même jour, on a eu à faire une déviation dans le courir pour euh, rétablir la circulation. Donc aujourd'hui, je le problème ne se pose pas. Donc euh, les usagers peuvent aller à Balear ou bien ceux de Balear peuvent venir à Niamey sans, sans, problème. Et, pour l'autre tronçon, ou euh, Alam Walam Tilaberi Alam, effectivement, il y a aussi un entrepreneur qui est là-dessus. On attend toujours la baisse du niveau d'eau. Donc présentement, il est là-bas avec ses matériels. Il a eu à faire un bon stock de matériaux la circulation est interrompue Interrompue, non pas totalement, puisque les, usagers peuvent prendre une euh, déviation de fortune en attendant le rétablissement total de, la circulation. Merci, monsieur le directeur. Voilà le directeur régional de l'équipement de Tilaferi au téléphone avec euh, notre reporter Gung Mamadantani Dantani sur la dégradation des routes du fait des dernières précipitations enregistrées. le savez, le samedi 13 août dernier, le bureau politique national du MNSD Nassara a décidé à la majorité de ses membres de se rallier à la mouvance au pouvoir. Quelles sont les principales raisons qui ont motivé cette décision du bureau politique du MNSD Je vous propose de suivre la réponse du secrétaire adjoint à la communication du MNSD, M. Adam Ouide. Il est interrogé par Mokhtar Hamadou. Vous me demandez les raisons. D'abord, euh, prenons deux raisons fondamentales. La première raison, c'est l'intérêt national du Niger. La deuxième raison, c'est l'intérêt de notre parti, le MNSD Nassara, qui a connu beaucoup d'épreuves difficiles, des épreuves d'usure. Et nous avons jugé utile qu'on ne crée pas un parti pour être constamment à l'opposition. Non, on crée un parti dans l'intérêt général pour gérer les affaires de l'État. Donc, au niveau du MNSD, Nassara, avant d'adhérer, avant de prendre cette décision, vous savez, le MNSD est un grand parti fondé sur le triple type consultation, concertation, participation. Cela veut dire qu'en amont, nous avons tenu compte de ce triple type-là. Nous avons fait des consultations au niveau de la base. Nous nous sommes consultés, nous nous sommes concertés. Et c'est pourquoi vous avez vu, d'abord, avant le vote, il y a eu la position des sections qui se sont dégagées. Donc, la majorité des sections étaient favorable à l'adhésion du MNSD Nassara à la gestion du pouvoir. Je crois qu'il y a une seule section qui ne s'est pas réunie, mais je je pense que toutes les sept sections se sont prononcées. Ça, c'est de un. De deux, je parlais d'intérêt général. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger fait face aujourd'hui à plusieurs défis, dont le principal, c'est le défi sécuritaire. Vous voyez, en ce qui concerne le défi sécuritaire, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Peut-être que c'est ce défi-là qui est à la base de notre classement au dernier rang mondial. Donc, euh, il fallait relever tous les défis avec tous les fils de la nation. Voilà, grosso modo, les raisons fondamentales pour lesquelles nous avons jugé utile de répondre favorablement à la main tendue du président de la République. Antérieurement, nous avons passé beaucoup de temps à critiquer le régime. Nous le reconnaissons. Mais quand on critique la personne et que cette personne-là s'avise et se ravise que ces critiques-là sont fondées, il vous appelle. Je crois qu'il faut venir l'aider. Ça, c'est pour l'intérêt général de la nation. Le président de la République, c'est le président de tous les Nigériens. Je crois qu'il faut aider ce pays. Il ne faut pas terrasser ce pays. Madame Ouide, vous aurez dû le faire en 2013 avec euh, al les Abouba et consorts. Mais les conditions n'étaient pas réunies. C'est dans un contexte où on cherchait à nous diviser. Vous savez, nous sommes en politique. En ce moment, c'est parce que les conditions n'étaient pas réunies et le bureau politique a décidé autrement. Aujourd'hui, c'est en toute souveraineté que sur 148, je reprécise bien qu'il y a eu 148 délégués présents à la prise de la décision. Et les 148 délégués là, il y a quatre, vous les connaissez, vous étiez là avec nous. Il y a quatre qui, démocratiquement, ont dit non. Maintenant, c'est la démocratie. Vous dites démocratiquement, vous n'êtes pas d'accord. Et la majorité, c'est 144. Mais vous allez suivre ces 144 là. Ce n'est pas la peine de vouloir créer le dilatoire et la démagogie au niveau des décisions prises. Non, vous êtes partie prenante, vous avez pris la parole, vous vous êtes pleinement égosillé. Donc aujourd'hui, la décision finale, c'est la décision des 144 qui ont dit oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'intérêt du parti. Quelle est la contrepartie de votre ralliement à la majorité présidentielle Je vous ai tout à l'heure dit que notre contrepartie, c'est tout simplement l'amour de la patrie. C'est l'amour de la patrie. Nous avons mandaté le président du parti. Cela appartient au président du parti de bien vouloir négocier notre ralliement à la cause nationale. Non, de grâce, nous ne sommes pas allés au pouvoir parce que nous sommes menteurs ou que nous sommes affamés, comme le prétendent nos détracteurs et les délateurs. Non, ce n'est aucunement pas ça. Aujourd'hui, le Niger est un pays qui a beaucoup de potentialités. Potentialités en ressources humaines, potentialité en ressources minières. De toute façon, nous ne connaissons pas les autres faits dans d'autres pays. Non, nous, au Niger, nous avons appris à nous mettre autour d'une table pour discuter de l'avenir de ce pays. Nous avons critiqué, je le dis moi qui suis là, j'ai fortement critiqué le régime de Issifou. Mais aujourd'hui, je me suis ravisé, je me suis dit, ah, si vous avez tellement critiqué, il y a un moment pour s'arrêter et un moment pour aider le pays à tenir debout et à être au premier rang mondial, pas au dernier rang mondial. Voilà donc ce que je peux vous annoncer votre ralliement à la majorité présidentielle n'a pas été fait de façon inanime. Vous avez reconnu qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord avec euh, ce ralliement. Maintenant, quel va être le sort de ces gens-là qui n'ont pas regardé dans la même direction que vous Vous savez, dans tout parti politique digne de nom et digne de démocratie, il y a des tendances. Au MNSD, le président Seyni n'est pas un père fondateur. Non, c'est un démocrate. Vous avez vu nos discussions, vous étiez là. Nos discussions ont en tout cas duré de 17h à 23h. Seigne était là, il était patient, il écoutait tout le monde. Il y a des gens qui ont pris la parole trois fois. Il y a eu une première liste de 30, 30 personnes. Après, des gens ont réclamé la parole avec d'autres motions, des motions sans fondement. Mais le président étant patient, il leur a passé la parole. Chacun a vomi ce qu'il pense. Et je crois que le bureau politique, c'est l'organe de décision du parti. Alors, l'organe là a décidé. Après, je vous ai dit, une consultation de la base. Parce que ces gens-là disent qu'on n'a pas consulté la base. <laughs> Mais la base a été consultée. On a mis en place des commissions de travail. Les comités de travail ont rendu leur rapport. On a vu le fond la forme et le fond des rapports, on les a critiqués, on a amendé. Et je crois que tout le monde a pris la parole, tout le monde a participé à cette noble et joyeuse décision qui fait aujourd'hui le bonheur de tous les Nigériens. De toute façon, moi j'entends toutes les critiques, mais les gens critiquent positivement l'adhésion du MNSD à cette main tendue du président de la République. Nous sommes partis pour construire. Nous sommes partis pour redresser. Et Inch'Allah, les Nigériens verront la capacité d'agir du MNSD qu'ils ont connu et qui n'a jamais fait défaut. Voilà ce que nous voulons dire à tout le monde quelles sont maintenant les méthodes que vous allez adopter pour faire comprendre à la base euh, cette décision Moi, je ne sais pas combien de fois vous voulez que je me prononce. J'ai dit que nous avons respecté le triple type consultation, concertation, participation. Donc, avant de prendre cette décision de participation, il y a eu en amont des consultations de la base. Les bases là étaient consultées. Moi, j'étais une fois à Tilaberi. Je vais te donner ce secret-là. Il y a eu un groupe de fonctionnaires qui sont venus me voir. Monsieur Adamou faites attention, hein, nous, il faut que vous participez à la gestion du pouvoir. Alors là, c'est pas une base, c'est des cadres, c'est des fonctionnaires de, de l'État. Bah alors, vous voyez, et les militants à la base, les sous-sections, il y a beaucoup de sous-sections qui se sont réunies. Il y a beaucoup. Maintenant, si les autres ont négligé, ils n'ont pas tenu parce que c'est des responsables d'instances et d'organes. S'ils ne l'ont pas tenu, c'est à leur intention, ils vous ont voulu ça. Ils l'ont voulu, ils l'ont préparé. Donc euh, aujourd'hui, Dieu merci, le MNSD Nassara adhère à la gestion du pays. Que peuvent être les conséquences de ce ralliement du MNSD Nassara à la majorité présidentielle Vous savez, il y a toujours des yeux rouges qui voient les choses à travers les conséquences. Je dis très bien qu'il y a des défis. Donc il faut relever des défis. Nous ne voyons aucune conséquence pour le parti. Nous ne voyons également aucune conséquence pour le pays. Nous avons pris cette décision, je le répète, pour l'intérêt général du pays et pour l'intérêt de notre parti. Voilà ce que je pourrais vous dire. Il n'y a aucune conséquence. C'est en toute souveraineté que nous nous sommes euh, prononcés. Et nous savons que nous avons les ressources nécessaires, humaines nécessaires, pour aider le président Ishifou. Beaucoup de citoyens nigériens pensent qu'il y a derrière ces ralliements l'image de l'ancien président de la République, Tajem Mamadou et sa famille. Ah, là, moi, je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Je ne peux rien vous dire en tant que euh, secrétaire adjoint à la communication. Je n'en sais absolument rien, je vous le dis. Adamou Idé, on vous remercie. Merci. Vous venez de suivre Adamou Ide, le secrétaire adjoint à la communication du MNZ sur les raisons du départ du parti euh, sur les raisons pour lesquelles le parti s'est allié à la majorité au pouvoir. Il était interrogé par Mokhtar Hamadou. président du Conseil supérieur de la communication est en tournée à l'intérieur du pays. Euh, depuis hier, Abdourahman Ousmane et sa délégation participent à la campagne de vulgarisation de la charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Il était donc hier à Zender où il a animé une réunion avec les acteurs concernés par cet accès à l'information et aux documents administratifs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette charte et quelles sont ses implications dans la recherche de l'information le vice-président du CSC e a bien voulu nous recevoir pour en parler. Allez, Ouseni s'explique. Les programmes du studio Kalangu à Niamey sur la radio Anfani 100 FM et sur la radio Alternative 99.4 FM à Agadez sur la radio Nomade FM 101.9 FM à Arli sur la radio Ikokan 95.1 FM à Difa sur la radio Anfani 100 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Tirozirine sur la radio Azuru 95.1 FM à Pilengi sur la radio Mourir Talaka 95.1 FM. À Tilaberi. Sur la radio Tebonsi 97.5 FM. À Maradi. Sur la radio Garkwa 107 FM. À Tawa. Sur la radio Tambara 107 FM. À Zender. Sur la radio Shukra 105.5 FM. Studio Kalangu. Studio Kalango, il est 18h33 minutes. Le forum du studio continue avec euh, euh, petit, malgré ces soucis techniques, technique, euh, nous allons reparler euh, sur la visite euh, du président du CSC à l'intérieur du pays pour vulgariser la, charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Mais en attendant, nous allons parler de la suspension des 2000 agents contractuels de la mairie qui continuent de faire polémique. Selon Moumouni Jibo, secrétaire général du syndicat national des agents contractuels des collectivités territoriales du Niger, cette décision constitue une véritable catastrophe pour pas mal de familles. Je vous propose de le suivre au micro de Omar Hamma. Oui, l'arrêté est tombé comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Et ça a provoqué une panique à telle enseigne que euh, les gens ne savaient plus où donner de la tête. Parce que nous sommes dans un état de droit et le président de la République dans le discours d'investiture de sa première mandature, avait promis 6 000 emplois. Et si aujourd'hui, sous le même régime, on se lève un matin et on décide unilatéralement comme ça euh, de la révocation de 2 000 agents, vraiment, ça, ça, ça amène à poser mille et une questions. Bon, euh, notre surprise a été grande et notre inquiétude accrue lorsque nous avons vu l'arrêté. Mais au Synactel, dès que nous avons vu l'arrêté, notre réaction a été celle de contacter immédiatement euh, la Confédération nigérienne du travail, la CNT, à laquelle nous sommes affiliés. Donc la CNT a pris le problème à bras le corps et elle a promis faire quelque chose. Ensuite, nous nous sommes rendus directement au bureau de l'inspecteur de travail de la région de Niamey. Nous lui avons remis une copie de l'arrêté, arrêté qu'il a lu, et arrêté qui lui a paru lui-même flou, parce qu'il a dit L'arrêté dit ceci. Tous les contrats de travail, durée déterminée, indéterminée, sont suspendus pour compter du 1er août 2016. Point. C'est tout ce que l'arrêté dit. Donc ça n'a pas de sens. Maintenant, euh, les négociations sont en cours. L'inspecteur du travail a promis rencontrer le gouverneur de la région de Niamey et le maire central euh, en vue de trouver une solution idoine au problème. Donc nous attendons. Mais est-ce que, paraît-il, qu'il y avait eu des notes de service qui étaient sorties pour euh, la suspension de certaines euh, parmi les agents Non, non, non, aucune liste, à ma connaissance, n'a été portée à notre connaissance. C'est simplement l'arrêté. Mais le problème, puisque maintenant il est temps de crever l'abcès, au tout premier début, comment les choses ont commencé Nous ne comprenons pas que quelqu'un vienne dans une structure comme la mairie centrale et cette personne se permet de recruter des gens sans même une étude préalable. Parce que quand on n'est pas contre le recrutement, parce que nous, notre souhait, c'est que tous les Nigériens trouvent un emploi. Mais quand vous venez dans une boîte, et que vous voulez recruter un certain nombre d'agents, il faut connaître la capacité financière de la maison. Est-ce qu'en recrutant tel nombre de personnes, la maison pourrait gérer cette situation Si elle ne peut pas le gérer, euh, tu ne vas pas. Mais le problème, c'est quoi Au tout premier début, on nous a fait comprendre que le maire cherche le suffrage des militants de son parti. Donc pour les récompenser, il faut les faire venir à la mairie, les faire travailler. Et c'est comme ça qu'il a commencé à signer les contrats, d'abord pour les militants de son parti. Ensuite, quand il y a salaire, nous constatons que des gens viennent prennent des salaires qu'on ne connaît même pas. Ils n'ont pas de lieu d'affectation, ils n'ont pas un emploi précis. Ni statut particulier. Rien, rien. Et souvent, curieusement, on vient quand vous jetez un coup d'œil sur le bulletin, vous voyez soit chargé de mission, conseiller, mais on ne comprend pas. Alors, mais oh, je vous jure, on a retrouvé des vendeuses de dambou chargées de mission. Hein? Mais ça n'a pas de sens. Et parfois, vous voyez une seule personne venir au guichet et la personne prend le salaire de 15 personnes. ce salaire va où Donc vous voyez, c'est comme ça qu'à la longue, ils ont semé la pagaille dans la maison. De 2 millions, 200 euh, millions, le salaire des, des agents est monté à 500 millions un demi-milliard. Où la mairie va trouver chaque fin de mois un demi-milliard pour payer les agents. Maintenant que le problème s'est posé, moi je crois que la solution idoine serait de faire un tri, voir ceux, les agents qui ont un lieu d'affectation, les agents qui font normalement leur travail, qui viennent régulièrement à leur lieu de travail, il faut les maintenir. Mais ceux-là qu'on ne voit que quand pomper les salaires, vraiment, il faut les remercier. Voilà, vous venez de suivre euh, Moumouni Jibo, secrétaire général du syndicat national des agents contractuels des collectivités territoriales, sur la suspension de 2000 agents contractuels de la mairie de Niamey. Il est au, au micro de Omar Hama. À 18h40, nous revenons sur la tournée du président du Conseil supérieur de la communication à l'intérêt du pays. Abdraman Ousmane et sa délégation participent à une campagne de vulgarisation de la charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Hier, il était à Zender où il a animé une réunion avec les acteurs concernés par cet accès à l'information publique et aux documents administratifs. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette charte et quelles sont ses implications dans la recherche de l'information le vice-président du Conseil supérieur de la communication a bien voulu nous recevoir et en parler. Je vous propose de suivre les explications de Ali Dans la même dynamique qui a amené les pouvoirs publics en 2010 à adopter le régime de la liberté de la presse, par lequel les différents délits avaient été dépénalisés, donc cette même dynamique avait présidé à l'adoption d'une ordonnance du mois de février 2011 portant charte d'accès à l'information et aux documents administratifs pour permettre aux journalistes et à tous les usagers de l'administration publique d'accéder à l'information publique et aux documents administratifs. L'administration, la toute-puissante administration, a cultivé le mythe du secret en recouvrant toute information du sceau de secret, tout document du sceau de secret et le, le législateur a voulu que dans la mesure où nous rentrons dans une euh, euh, dans une période de, bonne gouvernance, dans une période d'ouverture, donc de favoriser euh, la connaissance des actes de gestion de ceux qui sont élus et ça participe de la bonne gouvernance de notre société. Il n'y a plus de secret en réalité. Pour tout document que vous voulez Pas pour tous les documents. Vous avez des documents, le législateur a serré, vous avez des documents communicables les documents non communicables, ils sont expressément connus. C'est les documents liés à la sécurité, à la défense nationale, à la monnaie. Eux ne sont pas communicables. La plupart des documents que, produits par l'administration, par les administrations, euh, eux sont communicables. Les documents liés à la santé, de la personne humaine ne sont pas communicables. Si vous avez une maladie, un journaliste de Kalangu FM radio, il veut savoir par votre médecin si vous êtes porteur. Là, le médecin n'a pas le droit de communiquer cette information à ce journaliste, malgré la présence de la charte d'accès à l'information aux documents administratifs. La charte d'accès est aujourd'hui, c'est applicable, c'est fonctionnel. alors la charte a été adopté par ordonnance. Pourquoi ordonnance Parce que c'est sous la période de la dernière transition militaire. Il n'y avait pas de parlement. L'ordonnance, c'est un acte législatif pris pas en dehors d'une période normale euh, régulière. En réalité, c'est une loi. L'ordonnance portant charte d'accès à l'information a été prise sous le régime de Jibo Salou. Cette même disposition dit six mois après, elle doit être en vigueur à condition que le décret d'application puisse être pris. À la date d'aujourd'hui, le décret d'application de cette loi, donc de cette ordonnance de 2011, n'a pas encore vu le jour. La loi, dans la hiérarchie des normes est au-dessus d'un décret. La loi, elle est connue, donc elle s'impose à tous les pouvoirs publics. Elle est en vigueur, mais son décret d'application n'a pas encore été pris. Il y a quelques problèmes. Ça veut dire que ce n'est pas encore en vigueur En vigueur, elle est, parce que, que c'est sciemment que je vous fais la hiérarchie des normes. Une loi est au-dessus d'un décret. Lorsque la loi elle est en vigueur, donc les éléments constitutifs de la loi s'imposent à tout le monde. Elle est en vigueur, mais il aurait fallu, pour que l'échafaudage soit plus galant et normal et correct, que le décret d'application puisse avoir le jour. Lui, par contre, n'a pas été pris à la date d'aujourd'hui. Et la campagne que nous menons, que le CSC vise à sensibiliser les pouvoirs publics, à sensibiliser les acteurs politiques, les journalistes, pour que nous saisissions la portée de l'application du décret et pour que ce décret puisse voir le jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai besoin d'un document administratif communicable par exemple, au CSC, vous êtes obligé de me le donner. Absolument. La présence de l'ordonnance fait que nous sommes tenus de vous remettre ce document, tant qu'il figure parmi la famille des documents communicables. Avec toutes les, tous les autres services administratifs, non pas le CSC seulement. En principe, tous les services publics, c'est-à-dire tous les usagers de services publics doivent avoir cette même possibilité. Maintenant, par contre, ce que vous n'avez pas, parce que la loi, elle, elle est de portée générale. Je ne vous apprends rien du tout. Le décret précise les voies de recours, les détails des voies de recours en cas de refus. Moi, de par la loi, je suis obligé de vous donner. Si je ne vous le donne pas, la loi a prévu les recours, mais elle ne précise pas les détails du recours. Donc si je vous refuse, parce que je suis légaliste, vous, êtes tenu d'aller faire un recours au niveau du Conseil d'État, mais les détails ne sont pas encore connus à la date d'aujourd'hui, faute du décret. Votre recours va, peut prendre du temps, mais elle est en vigueur, il n'y a pas de doute. Quand on dit information publique, euh, qui a accès à l'information publique Est-ce que c'est une catégorie de personnes bien données ou bien tout citoyen Alors, tout citoyen, c'est-à-dire tout citoyen a accès à l'information publique. Obtenir un document qui relève d'un acte de naissance, c'est un droit aujourd'hui. Si un enfant naît, il a droit à avoir son extrait d'acte de naissance. Si vous voulez mettre votre enfant à l'école, il a droit à obtenir son certificat de nationalité. Si vous avez besoin de votre casier judiciaire, personne ne peut vous en empêcher. Mais si vous avez été condamné, par contre, ceux qui vous le délivrent sont eux tenus de mentionner que voilà votre casier judiciaire. Voilà, voilà les sanctions que vous avez écopées. Prenons le cas des journalistes. En quoi est-ce que cette charte-là leur donne plus de droits qu'avant l'application ou l'entrée en vigueur de, la charte. Les journalistes, c'est déjà la Constitution de la République du Niger qui donne aux journalistes tout son paquet de droits. Euh, c'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression, ça c'est des grands principes énoncés déjà par la Constitution, qui est la loi fondamentale. Puis le régime de la liberté de presse qui organise euh, toute cette liberté y compris la dépénalisation de leurs fautes. Vous voyez, c'est l'un des rares métiers au monde où vous pouvez commettre des bêtises, des fautes, et pour lesquelles euh, on ne vous emprisonne pas. Certains confrères ont séjourné en prison pour avoir volé des documents qui n'étaient pas faux par ailleurs. Aujourd'hui, les journalistes ont beaucoup, beaucoup de pouvoir, à mon avis. On leur demande, la seule chose qu'on leur demande, c'est d'être beaucoup responsables, beaucoup plus responsables. Il faut qu'ils mesurent leur, le poids de leurs responsabilités. Ils ne vont pas en prison même s'ils commettent des fautes, euh, ils peuvent accéder à tous les documents communicables et les administrations sont tenues de leur donner toutes les informations produites, connues. Il n'y a pas meilleur environnement aujourd'hui que de faire ce travail. Quand par exemple un secrétaire général des ministères écrit une note pour dire que vous n'avez pas droit à l'information sans que vous ne vous adressez au service avec des notes, par exemple, une demande. La charte dit clairement lorsqu'un journaliste euh, prend rendez-vous dans un service public, il est tenu de formuler sa demande par écrit. Pourquoi par écrit Parce que s'il y a un contentieux devant le Conseil d'État, c'est cette demande qui fait foi. Un journaliste, c'est un citoyen d'abord, il est tenu de respecter les normes, il est tenu d'écrire, et dans nos administrations, vous le savez bien, les secrétaires généraux sont les patrons de l'administration. C'est vraiment eux les responsables de l'administration. Vous déposez votre demande au niveau du bureau d'ordre, mais eux, ils sont obligés, de par la charte, de vous répondre au plus tard dans 72 heures. Pareil, oui. Par oui, bien sûr. Tant que les documents ne figurent pas parmi les documents non communicables ou les informations non communicables, donc ça ne relève pas de la sécurité intérieure de l'État, ça ne relève pas de la diplomatie, ça ne relève pas de la monnaie, mais ils sont tenus de vous répondre. Maintenant, s'ils ne sont pas contents de l'usage que vous, pouvez en faire, eux-mêmes ont leur voie de recours, les administrations. Vous voyez Donc, tous les équilibres sont prévus. Qui garantit l'accès à l'information et aux documents administratifs. Celui qui garantit d'abord l'accès, de par la charte, c'est le médiateur de la République. C'est-à-dire le législateur a voulu que ce soit le médiateur de la République qui soit le garant. Tous les abus constatés, tous les travers notés au cours d'une année le médiateur de la République est tenu de les consigner dans son rapport annuel qu'il adresse au président de la République, au président de l'Assemblée et au Premier ministre. Il y a un garant. Mais il y a des voies de recours. Les administrations posent des actes administratifs. La juridiction de recours de tous les actes administratifs, c'est le Conseil d'État. Vous avez le Conseil d'État qui peut casser les mesures et qui peut sanctionner. Les sanctions sont prévues. On peut blâmer, on peut amender, on peut même révoquer un fonctionnaire qui sciemment a fait preuve de mauvaise foi en faisant de la rétention de l'information. D'accord. Mais le fait que le CS, ou du le médiateur, écrive au président ou aux autres institutions, ça suffit pour l'applicabilité de, la charte Ah non, ah non, non, il n'écrit pas. C'est-à-dire, il, il note les travers dans son rapport annuel. De par la loi, euh, il est tenu chaque année d'adresser donc à ces différentes personnalités un rapport annuel. C'est dans ce rapport qu'on consigne le non-respect des dispositions de la charte d'accès. Lui, le rôle du médiateur n'est pas de, de, permettre la fluidité. Lui, il fait le recours. On ne peut jamais être juge et parti en même temps. Alors, dans la mesure où lui est juge, il ne peut pas être parti. Quel est le rôle du CSC dans cette charte la charte d'accès à l'information et aux documents administratifs, normalement, son port d'attache, c'est le ministère de la fonction publique au Niger. C'est le ministère de la fonction publique qui a commandité une étude en 2008 sur l'accès à l'information et aux documents administratifs. Et c'est cette étude commanditée par le ministère de la fonction publique qui est servi de base à l'ordonnance portant charte d'accès à l'information et aux documents administratifs. Et le projet de décret, en réalité, le CSC a pu organiser un atelier euh, sur le financement de Osiwa pour concevoir un projet de décret d'application de la charte. Pourquoi le CSC Seulement parce que nous sommes les régulateurs du contenu des médias et nous sommes conscients de l'utilité de ce décret pour pouvoir achever l'architecture de ce texte qui permet aux journalistes et par-delà tout aux citoyens de faire correctement leur travail et d'être mieux informés. Euh, qu'est-ce qui peut se passer quand on refuse à un citoyen tout court euh, d'avoir accès à l'information publique Mais quand on le lui refuse, alors que c'est son droit énoncé par l'ordonnance et appuyé par le décret d'application, ben, il y a des voies de recours les deux grandes voies de recours, c'est d'abord l'administration elle-même. Le recours hiérarchique. Vous écrivez, si c'est un directeur, vous écrivez au secrétaire général. Si c'est le secrétaire général, vous écrivez au ministre. Si c'est le ministre, vous écrivez au premier ministre. Euh, voilà, c'est ça le recours hiérarchique. Et si au bout de deux mois, euh, vous n'avez pas de réponse ou la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir le Conseil d'État, qui est quand même la plus haute juridiction administrative vous pouvez saisir le médiateur. Des sanctions sont prévues. Voilà, ça un état de droit. Et quelles sont les sanctions euh, Les sanctions, vous avez l'avertissement, vous avez le blâme, ça peut aller jusqu'à la suspension du fonctionnaire. Lorsqu'il est formellement établi qu'il a sciemment caché l'information au requérant, quel qu'il soit, à l'usager du service public ou à un journaliste. Voilà, vous venez de suivre le vice-président du Conseil supérieur de la communication sur euh, la charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Cette charte fait l'objet actuellement d'une campagne de vulgarisation à l'intérieur du pays. À 18h53, sachez que le ministre de l'Enseignement primaire, Daouda Malam Marté, a rencontré hier les responsables des syndicats d'enseignants. Les décisions porté notamment sur l'arrêté du 20 juillet confiant la gestion des enseignants contractuels au mairies. La décision a été vertement critiquée par les structures syndicales. Les deux parties n'ont pas trouvé intérêt d'entente, mais elles se sont euh, donné rendez-vous, un autre rendez-vous le 31 août prochain. Que retenir de cette rencontre Isaka Oumarou, membre du Ben Sinaseb, au micro de notre reporter Asman nous avons, à la rencontre, réitéré et maintenu notre position de rejet de cet arrêté parce que nous n'avons pas confiance à la gestion des collectivités et nous ne pouvons pas accepter à ce que ces camarades-là soient gérés par les collectivités. Nous avons donné nos raisons et nous avons essayé de convaincre le ministre par rapport à nos inquiétudes, il a pris acte et lui aussi, de son côté, il a tenté de nous donner des explications par rapport à son arrêté. Mais malgré tout, il n'y a pas eu une entente et c'est ce qui a suscité le ministre à faire une proposition et il a demandé aux différentes structures de revenir le 31 avec des propositions par rapport à ce point. Et il a dit, il est là pour que l'école publique nigérienne marche. Donc, si tel est le cas, le 31, nous allons partir avec nos propositions et que tout dépendra du sort qui sera réservé à nos propositions. Si telles est que nos propositions ont été acceptées, très bien, nous allons continuer à discuter et à prendre une position qui va prendre en compte l'intérêt général de l'école publique nigérienne, l'intérêt des enseignants et l'intérêt des élèves. Ça rentre dans le cadre de la décentralisation qui est en cours dans notre pays. C'est vrai, c'est un processus que nous, nous ne pouvons pas arrêter, mais quand même, le décret même qui a conduit à la signature de cet arrêté a énuméré un certain nombre de compétences qui doivent être transférées au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et parmi ces compétences, il y a effectivement la gestion des contractuels, mais elle est en cinquième position par rapport aux autres. Donc nous, nous avons estimé que si on doit commencer, ou bien si on doit tester ces communes, on doit commencer de manière progressive, commencer d'abord par la première compétence, ainsi de suite. Si maintenant les mairies sont aguerries dans cette gestion, on peut peut-être aller vers la concrétisation de la décentralisation proprement dite. Donc voilà en quelque sorte notre position par rapport à la rencontre d'hier, c'est vrai, elle nous a appelé, c'est une bonne initiative parce que si on ne discute pas, on ne peut pas avoir des solutions par rapport à un certain nombre de problèmes. Nous avons échangé vraiment dans la sérénité. Il a pris en compte nos différentes inquiétudes et Inch'Allah, nous, en tant que structure syndicale, nous allons nous retrouver pour faire des propositions concrètes qui vont prendre en compte l'intérêt de nos militants et nous allons leur faire parvenir nos différentes propositions. Maintenant, quitte à leur bon sens de vouloir prendre en compte nos revendications ou bien de les écarter. De toutes les façons, si nos propositions sont mises à l'écart, c'est que c'est la lutte que nous, nous avons le devoir de continuer. Mais si tel est que nos propositions ont été prises en compte, nous pensons que ça y va dans l'intérêt de l'école publique nigérienne et ça y va dans l'intérêt de nos militants. Voilà, vous venez de suivre euh, le Isaka Oumarou, membre du bureau exécutif national du syndicat national des enseignants de base. Euh, c'était à l'occasion de la rencontre euh, avec le ministre de l'enseignement primaire, Daouda Malam euh, relativement à l'arrêté du 20 juillet confiant la gestion des enseignants contractuels aux mairies. Les deux parties n'ont pas trouvé de terrain d'entente, mais elles se sont euh, donné rendez-vous le 31 août prochain les programmes de Studio Kalangou à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Fara 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 FM à Tilaberi. Sur la radio Téboissé. 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filengue. Sur la radio Mouriatalata 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio Studio Kalango à 18h, euh, presque 58 minutes. Je vous rappelle que nous avons parlé de la région de Tilabiri où les principales voies connaissent une certaine dégradation du fait des fortes précipitations euh, enregistrées ces derniers temps. Actuellement, les axes Beleyara, Niamey et Tilaberi Walam sont pratiquement euh, sont impraticables. Le directeur régional de l'équipement de Tilaberi nous a fait le point. Et puis, le MRSD qui décide de rejoindre la majorité au pouvoir, quelles sont les principales raisons qui ont motivé cette décision Vous avez suivi la réponse de Adamou Idé, secrétaire adjoint à la communication du Bureau politique national. C'est la fin de ce forum. Nous nous excusons pour les petits désagréments. Les programmes continuent euh, demain hein, sur euh, le studio Kalangu. Merci de nous suivre. Bonne soirée et bonne suite.